le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio 18h passé de 15 minutes, c'est l'heure du Forum de la presse qui a lieu tous les vendredis soirs. Le Forum de la presse, c'est ce rendez-vous hebdomadaire avec des confrères de la presse écrite, en ligne ou audiovisuelle pour analyser l'actualité. Si vous nous écoutez en ce moment, sachez que c'est en partie grâce à notre réseau de radio partenaires, 34 au total, diffusant chacune en direct les programmes du studio Kalangou dans sa zone d'implantation. Les saillants du Forum de la presse de ce soir, d'abord la crise à l'université Abdoumoumouni entre les étudiants et les enseignants-chercheurs nés de l'agression d'un enseignant par les éléments de la CASO. Les enseignants-chercheurs observent à l'appel du SNEX une grève illimitée entamée depuis bientôt deux semaines pour demander entre autres la dissolution de la CASO ou la présence de forces de l'ordre sur le campus. Autre sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, c'est la vague de redéploiement des enseignants mariés, des enseignantes mariées à l'intérieur du pays, loin de leurs maris et enfants, à suivre l'analyse de nos confrères sur ce sujet dans ce forum. Il sera également question dans ce forum de la presse de la rencontre du ministre des Finances Hassoumi Massaoudou avec euh, les bailleurs de fonds du Niger relativement à la loi des finances. Une rencontre au cours de laquelle il a expliqué les tenants et aboutissants de cette loi des finances euh, objet de protestation. Enfin, nous terminerons avec les réactions des organisations de défense des droits humains qui ont fait publier des déclarations ou communiqués sur la situation socio-économique et politique euh, du pays. Il s'agit de la CNDH et de l'ANDDH. Pour discuter de ces sujets, nous sommes en compagnie de nos confrères Gary Amadou du journal euh, du quotidien La Nation. Bonsoir Gary. Oui, bonsoir. Et Issa, Mar Morou Madougou, euh, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Bonsoir Issa. Bonsoir Maman et Rufai Dandoua, euh, journaliste indépendant. Bonsoir Rufai. Bonsoir. Merci à vous euh, d'avoir honoré notre invitation. Au micro, Alassane cousine Mamadou pour la présentation de ce forum de la presse. Chers auditeurs et auditrices, bonsoir. Bienvenue dans votre émission hebdomadaire Le Forum de la presse que nous ouvrons par la crise à l'Université Abdoumouni de Niamey. En effet, les enseignants-chercheurs de l'Université Abdoumouni de Niamey observent une grève illimitée à l'appel du syndicat national des enseignants-chercheurs du supérieur SNEX depuis le 17 février passé. Ils protestent contre l'agression physique d'un des leurs par un groupe d'étudiants appartenant à la CASO, la Commission des affaires sociales et de l'ordre, une structure estudiantine qui fait office de police de la cité universitaire. Par cette grève illimitée, les enseignants-chercheurs exigent entre autres la dissolution de la CASO, l'identification et l'exclusion immédiate et définitive de l'université Abdelmouni des étudiants identifiés comme responsables de l'agression du 7 février et la prise des dispositions relatives à la présence permanente de la force publique sur l'espace universitaire en vue d'assurer la sécurité de toutes les composantes de la communauté universitaire. Dans une déclaration rendue publique, l'Union des scolaires du Niger, USN, tout en affirmant être disposée au dialogue avec le SNEX, juge non fondée ses exigences et n'entend pas se débarrasser de la CASO. À ce jour, chacun campe sur sa position et les jours passent sans solution. Alors, Issa Madougou de la radio et télévision Ténéré, quelle analyse vous inspire cette situation euh, au niveau euh, de l'université Ok, merci. D'abord, euh, moi, ce que je dois dire que l'UNUN et le SNEC sont des alliés. Ils, sont bien dans, ils seront bien dans une dynamique de lutte que dans une dynamique d'adversité. Alors, vous voyez aujourd'hui la situation académique au niveau de l'université de Niamey qui n'est pas du tout reluisante. Par exemple, quand vous prenez en droit, il y a trois promotions en en première année. Des années kilométriques viennent s'ajouter aujourd'hui à ce bras de fer, dont aujourd'hui, malgré les multiples tentatives de négociation, parce que la CNDH avait entrepris euh, une démarche pour écouter les partis afin de trouver le juste milieu pour que vraiment la sérénité y prévale au sein de l'université. Quand vous prenez par exemple les exigences du SNEX, quand même, c'était d'aller trop loin. Comment vous pouvez vous-même, chaque fois, vous vous rappelez lors des événements du 10 avril, le SNEX même a condamné la violation des franchises universitaires. Comment vous allez demander, aussi comme si on était dans une situation de guerre à l'université, où on assumait l'université au théâtre euh, des affrontements comme dans le bassin du lac Tchad, la présence militaire sur le, euh, euh, euh, campus, universitaire. comme si les gens sont en insécurité. Vous exigez la la dissolution pure et simple de la CASO. Pourtant, l'Union avait manifesté son intérêt. Ok, la sanction qui devrait être infligée à ceux qui sont là, il faut, il faut sanctionner ces gens-là. Mais pourtant, on sent sent qu'il n'y avait pas cette volonté euh, au niveau de, de l'université des enseignants-chercheurs de trouver une solution. Je peux faire aussi une autre analyse. Par exemple, quand tu vois, quand tu les prends individuellement au sein du groupe même des enseignants-chercheurs, il y en a beaucoup qui sont contre ce mouvement. Il y en a d'autres qui disent, pour des prétextes qui ne qui tiennent pas la route, pour dire Ah non, nous ne sommes pas d'accord avec vraiment les étudiants parce qu'ils se croient comme des rois, comme des princes. Non, moi je pense que par le dialogue, vous pouvez trouver, quel que soit le problème, une solution. Mais à cette allure, franchement, il faudrait que les enseignants-chercheurs qui ont cette responsabilité, parce que quand un étudiant échoue, eux aussi, ils doivent se remettre en, cause. Euh, Garé Amadou, quelle analyse faites-vous de, de, cette situation qui oui, euh, actuellement à l'université euh, moi, je vais, je vais aller direct. moi, j'ai honte de la grève des, enseignants-chercheurs. Non, j'ai honte, c'est une honte. Mais parce que d'abord, eux, c'est les grands frères. Vous comprenez Moi, je peux comprendre. Oui, des papas aussi. Moi, je peux comprendre que le Sénèque soit en grève contre une décision du gouvernement. Mais que l'on dise, moi j'ai honte de dire ça, que les enseignants soient en grève contre les étudiants. Vous vous rendez compte de, de, de, recul de la situation Et pour une chose banale, moi, Écoute, les étudiants sont en mouvement, on est en train d'arrêter les voitures. Mais toi, enseignant et chercheur, tu apparemment, qui veut montrer que lui, là, tu refuses de reculer. N'est-ce pas On te dit que recule un peu pour que les bus puissent passer. Mais où est le problème, pardon Entre nous, où est le problème Recule, qu'est-ce que... D'abord, il refuse de reculer. N'est-ce pas Il a refusé de reculer. Hein. Mm. Mais soit, jusqu'à aller, jusqu'à réunir le syndicat pour une affaire qui pouvait passer inaperçue, c'est-à-dire que tu as refusé de reculer, après les bus sont passés. Bon, les étudiants sont mécontents, ils ont, ils ont, ils ont fait un petit un mouvement d'humeur. Bon, après, ça, passe, ils ont présenté l'excuse. Mais jusqu'à ce que vous vous réunissiez pour demander, d'abord entrer en grève, ce que je considère comme un scandale, entrer en grève. Hein. Illimité. Illimité, mmh. mais c'est une honte. Et pire, une honte pour des enseignants qui, pour la plupart, ne respectent même pas les horaires qu'on leur accorde au niveau de l'université, qui chôment. C'est des polycopes. Moi, j'ai fait l'université. Ils chôment, ils vont dans les, dans, les instituts et dans les écoles de la sous-région pour enseigner. Ça veut dire quoi cela Et c'est pour cette raison, pour des broutilles, vous exigez que, d'abord, qu'on exclue les étudiants, n'est-ce pas Qu'on remplace la CASO, qu'on amène des militaires dans le campus. Non. Les enseignants-chercheurs sont en train de se ridiculiser, je vous assure, à la C'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte du ridicule de la situation dans laquelle ils sont, ils sont engouffrés. C'est-à-dire que dire ça à un étranger qui pense au Niger que les enseignants-chercheurs soient en grève contre les étudiants, mais c'est la honte du, siècle, ça. Rufai Dandoua, c'est votre point de vue. Oui, je, vais parler, je commencer par le ridicule. Même si j'ai <coughs> appris, eh, je crois, en venant, avant de venir, que la grève est suspendue. Non. C'est. Le SNEC a même réagi pour dire que ce n'est pas du tout ça. Ok, je je vais commencer par la conclusion. Mm, dans cette affaire. Je, pense que c'est une guerre qu'ils sont en train de mener à laquelle ils, qu'ils vont perdre d'ailleurs et ils vont se ridiculiser comme l'a dit Garé puisque je ne comprends pas. vous êtes des enseignants, c'est un incident qui s'est passé, certes, ça, se passe chaque fois. Vous savez, entre les étudiants et l'UNUN, je pense que cette situation a toujours été de jeter moi non plus. l'un ne, peut pas aller sans l'autre, mais il ne s'aime pas non, n'aime pas les, le SNEX, le Sinex n'aime pas les. Ils sont tenus, à parce que eux, les étudiants, il faut qu'on leur enseigne, il faut qu'on leur donne le savoir. Et eux, il faut qu'ils donnent le savoir à qui Aux étudiants. Donc, comme on dit, ce sont les deux mains qui se lavent. ils sont obligés de cohabiter et de vivre ensemble. Mais de là à demander, moi surtout, au-delà même de la grève, cela a demandé la dissolution de la CASO. eux, parmi les enseignants-chercheurs, la plupart ont fait l'université de Niamey. La plupart ont été des syndicalistes. Ils ont vu comment ça s'est passé. Ils ont été dans la CASO, puisque c'est le début pour être dans, le bureau. Lui, ça m'étonnerait qu'il ait fait euh, l'université. <laughs> lui, particulièrement, ça m'étonnerait. la plupart, ah ils ont, vu comment ça se passe. Aujourd'hui, s'il y a. Moi, je suis d'accord. Hein. je suis d'accord. D'abord qu'on sanctionne les étudiants fautifs. Je suis d'accord surtout qu'on recadre ah, la CASO. Oui, qu'on recadre la CASO. Parce que c'est vrai, c'est. Et vous n'êtes pas d'accord sur la dissolution C'est vrai, des fois, c'est un État dans un État. La Mais de là à demander la dissolution de la CASO, imaginez et la jungle dans laquelle les étudiants vont vivre. Les femmes qui vivent dans, euh, euh, sur le campus universitaire et sont sécurisées par la CASO. C'est vrai, il y a des bavures. Hein. Même dans la, police, dans la gendarmerie, dans mm-hmm. l'armée, mm-hmm. il, y, a des, y a bavures. On sait qu'aujourd'hui, ça ne va pas du tout parce que ça fait deux semaines qu'il n'y a pas cours comment, à votre avis, on peut euh, venir à de meilleurs Moi, sentiments je, pense euh, C'est vrai, il y a, il y a grève, mais c'est un, un, faux problème. Comme l'a dit Garé, tous on a fait l'université de Niamey. Mm. Moi, j'ai fait l'année absorbée qui a fait 15 mois, mais en une année, une, année qui fait 15 mois. Comme il l'a dit, quand on vient à l'université en première année, on vous dit, et eh, dans tous les cas, ne vous cassez pas la tête. L'enseignant venir ou ne pas venir. Dans tous les cas, il va vous donner un polycope. Donc, tu prends le polycope avec un ancien étudiant de, qui, a, qui a fait l'université depuis 10 ans. Hmm. Tu prends et quand tu ouvres le polycope, quand l'enseignant lit, c'est la, même chose. Même virgule ne, il, ne change pas. Ou bien, comment sortir de cet imbroglio ou, bien quand ils sont là, quand ils sont là, ils te font à peine 30 minutes, une heure de temps, pour un cours de fois de 4 heures de temps, et ils s'en vont. Et vous ne pouvez rien, vous n'avez aucun pouvoir. Qu'ils lisent que eh, c'est un État dans un État, soit, mais eux aussi, ils se croient hyper puissants qu'ils se permettent de tout faire. Maintenant, solution, la solution, toujours le dialogue. Et je pense qu'ils doivent mettre, comme on dit, euh, de l'eau dans leur euh, vin ou dans leur lait, <laughs> comme, comme on est ici on pour qu'ils se disent que ça ne les arrange pas. Moi, je reviens sur la conclusion. Ils sont en train de, de faire une guerre qu'ils vont perdre et à la fin, comme ils vont perdre, ils vont se ridiculiser. Euh, alors, euh, Issa Madougou, en 30 secondes, quelle solution euh, Comment arriver à des meilleurs la, solution, c'est que c'est très simple. Euh, c'est le dialogue les étudiants, ils ont manifesté leur bonne foi à dialoguer avec eux. Mais eux qui se prennent comme des super citoyens, ils le refusent. Mais vous savez, même dans les revendications, il y a une revendication qu'on est en train d'oublier, que le SNEX exige à ce que dans le conseil de l'université, on exclue les étudiants. Mais non, mais non, c'est oui, oui, c'est le, le section de Niamey. oui, c'est le snack section de Niamey. Mais attendez, il y a toutes les composantes. Vous demandez <laughs> que la prise de décision qu'il n'y plus, de représentants. Non, mais franchement, nous, nous enseignants chercheurs, je ne sais pas c'est des enseignants chercheurs ou bien des enseignants recherchés. Parce que franchement, on ne sent même pas leur travail. Garé Les étudiants là, les étudiants, est régi par des textes. Oui. C'est quand même. C'est comme si les. Voilà. C'est comme si demande euh, la dissolution de, du SNEX. E c'est pas possible. Mais au-delà de ça, il faut aussi comprendre que ces mêmes enseignants-là, qui ne, qui ne font pas réellement leur travail dans un passé récent, lorsqu'ils protestaient contre le compte unique, les étudiants les ont soutenus. Pourtant, ça n'arrange pas euh, euh, directement les étudiants parce que c'est eux, leur prime de recherche, qui ne font même pas de recherche là. C'est pour ça. Nous allons avancer. Garé, quel, comment aujourd'hui revenir à de meilleurs sentiments Mais Je pense que euh, moi, j'ai interpellé déjà sur un plateau de télévision le ministre de l'Enseignement supérieur et le recteur de l'université de Niamey. Apparemment, les étudiants n'ont pas confiance au recteur de l'université. Ils disent que bon, il est jugé parti parce que lui-même c'est un enseignant-chercheur. Mhm. Il a plutôt tendance à vouloir soutenir les le SNEX. Mais moi, ce que j'ai dit, il faut que les autorités qui sont en charge du secteur là puissent réunir les, les deux parties. Et il faut que le SNEX puisse bouger sur ses positions. C'est honteux qu'on dise que contre les enfants, ce sont les parents qui, disent que non, ils bougent pas. C'est une honte. Moi, les mots me manquent. Hein. Moi, quand j'ai entendu que non, non, grève illimitée, la, la de Gary est importante. C'est comme, dans, une famille. Hein. Dans une famille, tu es avec tes enfants et tu, tout d'un coup, tu te lèves parce que ton enfant t'a manqué de respect. On a toujours manqué de respect à nos parents, ah. tout tous tant que nous sommes. Et tu dis non, non, je, suis, je, ne parle plus à, je ne donne pas à manger. Je ne mais... nous, allons avancer. Nous allons avancer. Parlons de, de cet autre <laughs> sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Je le disais tout à l'heure, le redéploiement par le ministère de l'enseignement primaire des enseignants des enseignantes mariées à l'intérieur du pays. Ces dernières protestent contre cette décision à raison, disent de leur statut d'épouse et de mère de nombreux enfants. Ces femmes ont entrepris des démarches auprès de l'association islamique pour une médiation, puis elles ont été aussi reçues par le médiateur de la République. Je vous propose d'ailleurs de suivre Madame Madi Mariama Hassan Jibo sur les raisons de leur mécontentement beaucoup de femmes mariées se sont vues affectées. Les critères des affectations, quelque part, ont été violées. On sait que l'enseignant doit répondre à enseigner sur l'échelle nationale. Il est inconcevable d'affecter une femme mariée, mère de 5, 6, voire 7, 8 enfants sont là. Notre cri de cœur, c'est de chercher recours. Des foyers sont en danger. Voilà, Madame Madi Mariama Sanjibo, donc euh, sur les raisons de leur mécontentement relativement au redéploiement dans la, les régions. Euh, Gary Amadou, comment vous analysez les motivations du ministère en prenant cette décision Oui, franchement, euh, moi quand j'ai vu la situation de ces enseignantes-là, j'ai eu très pitié. C'est des situations assez poignantes. je vous dis, à l'heure où je vous parle là, il y a des instances de divorce au sein de certains foyers à cause de cette affaire-là. Parce que qu'est-ce qui se passe Le principe du déploiement, il n'est pas mauvais, hein, hmm. mais de la mise en œuvre, il y a énormément de problèmes et je pense que il y a des corrections à faire pour ramener la sérénité. Qu'est-ce qui se passe On a dit dans un premier temps, non, on va affecter les enseignants célibataires et les enseignantes célibataires et les enseignantes veuves. D'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé C'est-à-dire que des enseignants mariés dont les maris sont à qui ont des enfants, n'est-ce pas des enfants qui lavent chaque matin pour les préparer pour partir à l'école. On dit non, non, on vous affecte à l'intérieur du pays. On laisse le père avec les enfants. C'est-à-dire, c'est indécent. Vous comprenez Moi, moi j'ai vu des situations où des enseignantes étaient en train de pleurer. Ça fait pitié la situation des enseignants contractuels. Et puis vous savez, j'avais demandé lors d'un débat, j'ai dit non, moi, ce que je voudrais, qu'on respecte les enseignants contractuels. Qu'est-ce que je veux dire par là À chaque fois qu'il y a paiement de salaire, que les enseignants contractuels puissent avoir la possibilité, en même temps que les fonctionnaires, de partir toucher leur pécule. Mais qu'est-ce qui se passe On ne les paye même pas à temps. Mais en plus, pire, ce que l'année scolaire va, s'achever dans quelques trois mois. Mais donc, même s'il y a un redéploiement à faire, c'est pendant les vacances que ça se fait. Je pense que pour moi, ce n'est pas opportun. Pour moi, hein, ce n'est pas opportun. Je pense qu'ils sont en train de vouloir rectifier. D'abord, je crois qu'ils veulent ramener les enseignantes qui, euh, sont titulaires de leur classe ici. Mais le plus urgent, ce qu'il faut, il faut avoir en tout cas un sentiment, il faut avoir un comportement humain dans le cadre de la prise de décision. Qu'est-ce que je veux dire Le président de la République, il y a quelques jours, lors d'un discours qu'il a prononcé, a dit que la famille est, quand même le, socle. Voilà. Donc, vous voyez, il ne faut pas briser la famille. Dans chaque décision, par exemple, moi pour moi, si on doit affecter, vous voulez affecter une femme mariée, son, son mari, qui n'est même pas fonctionnaire, qui est commerçant ici, mais qu'est-ce que vous voulez Qu'il prenne sa boutique pour amener au niveau de l'intérieur Ou qu'est-ce que, vous, qu'est-ce que vous voulez Donc, vraiment, c'est des trucs élémentaires que pour moi, je pense que dans le cadre, il y a une décision noble, mais dans le cadre de la mise en œuvre, vraiment, il y a eu des, maladresses qu'il faudrait corriger. Rufai Dandoua moi, je crois que je vais partir à, contre-courant de l'histoire, comme on dit pour, une fois. C'est comme si tu vomis et tu, tu veux ravaler le vomi. Les femmes ont toujours demandé l'égalité dans toutes les décisions <laughs> dans, ce pays. Ils ont, ont même marché pour avoir leur journée qui leur est dédiée. Les hommes n'ont aucune journée qui leur, est dédiée. Aujourd'hui, on, vous affecte. On le fait, je pense que les gens sont eh, mécontents parce qu'on est dans un pays musulman. Aujourd'hui, comme l'a dit la femme là, elle est appelée à enseigner partout. Hmm. Aujourd'hui, moi, je peux avoir une femme qui est ici à Niamey. On m'affecte à Maradi je vais aller, hmm. je vais la laisser ici. Hmm. C'est la même chose. Elle, elle part, moi je reste sur place. C'est presque euh, euh, la même chose. Aujourd'hui qu'elles dise, ah, j'ai des enfants, on va m'affecter. Mais ça n'a pas de sens. Le divorce, qu'il y ait affectation ou pas, quand ça vient, on va le faire. Dieu a créé le mariage et le divorce, il ne veut pas qu'on divorce, mais si ça vient, on accepte. Lorsqu'on prend une décision, un homme politique doit avoir le courage de prendre des décisions. Si aujourd'hui le ministre a pris ses décisions, il doit avoir ses raisons et il doit les assumer. S'il ne peut pas les assumer, autant ne pas les prendre parce qu'à la fin, il va se ridiculiser. D'accord. Pour vous, pour bah vous, pour vous, Dandoua, le ministère n'a pas à revenir sur cette décision moi, moi, moi, on a pris une décision, on a affecté une femme, par exemple, elle est Niamey avec son mari, on l'a envoyée à, Dosso. Elle a 4-5 enfants, elle, elle, elle, les laisse ici, elle part. Mais l'homme aussi qui quitte, il a, ses enfants. Et il part, il, part servir ailleurs. Moi, je vous assure, hein, je suis sincère. Donc vous êtes en train de raisonner en termes d'égalité homme-femme. Voilà, si on veut l'égalité, on t'amène partout enseigner. C'est vrai, et euh, à un moment, au temps de, cette histoire s'est posée depuis le temps de Kunti, quand, quand, on affectait les gens, on les séparait avec euh, euh, leur famille. La première histoire a commencé à l'époque, mais aujourd'hui, s'il faut prendre seulement une femme célibataire pour l'amener là-bas, mais elle aussi, peut-être qu'elle a son homme avec qui elle est en train de contracter un mariage, en l'amener là-bas aussi, elle va perdre. Elle va perdre. Donc, soit on amène les femmes mariées, ou on amène les femmes non mariées, ou on amène personne. Bien. Euh, Issa Maroumadougou, euh, comment vous trouvez Est-ce que trouvez-vous normal euh, cette décision? Et puis les conséquences, comment vous analysez les conséquences qu'une telle décision peut avoir De toutes les façons, euh, le redéploiement de la manière dont ça a été effectué, on ne peut que condamner. Mais quand même, il faut essayer de situer. Moi, je pense que quand il y a une décision qui est sortie, il faut essayer de voir comment ça s'est passé, la prise de décision. Moi, je pense que beaucoup de femmes ont été victimes, c'est mon avis, parce qu'elles n'ont pas réactualisé leur dossier. Peut-être que dans le... Parce qu'il y a une procédure à suivre. Oui, voilà. Peut-être qu'elles n'ont pas réactualisé depuis qu'elle était jeune fille. Elle n'a pas... Parce qu'aujourd'hui, le Nigérien aussi, il faut dire, le Niger est très laxiste par rapport à la réactualisation de ses dossiers. Oui. quand les gens se marient à l'état civil, sur place, on te donne ton acte mariage. de donc on sait que tu es marié. Mm, voilà. Mais, même les, certificats de mariage, il y a des gens qui refusent d'aller prendre. Parce que pour, pour une femme, c'est très important ces documents. Quand vraiment votre statut change, il faut aviser votre employeur. Il faut réactualiser vous, votre... Cela pourrait être la oh, conséquence. Oui, euh, peut-être je me suis dit que moi, à mon avis, que c'est là-bas que le problème se situe. Mais maintenant... La décision en tant que telle. La décision en tant que telle, mais il faut déployer. Vous, vous, avez oublié, vous avez oublié comment on appelle le test, le fameux test qui a fait couler beaucoup d'encre de salive, qui a dépouillé des écoles entièrement d'enseignants qui n'ont pas d'enseignants. ont été. Euh, euh, oui, euh, des contractuels, le test de niveau, oui. oui. Mais vous voulez dire c'est pour c'était ça la solution. c'était il, faut affecter les oui, gens, oui, c'est ce que ça veut dire. Oui. Mais quand même, c'est pour combler les le les gens à, l'intérieur du pays, c'est ce que ça veut dire. Mais il tu les laisses parler, Rufai a raison un peu parce que il faut il faut que nous comprenions une fois que quand on ne fait pas de sacrifices, on ne peut pas aspirer à quelque chose de meilleur. Mais quand ça fait mal, on peut arranger. Quand ça pousse de crier, comme Gary a dit, quand la famille est touchée, le tissu social, ça risquerait de s'effriter un peu. Non, on peut arranger. Mais quand même, eux aussi, leur procédure. Non, ne c'est pas comme ça, on conteste. On ne met pas. Moi, je suis contre à ce qu'on utilise chaque fois la religion pour faire des revendications. Parce, que, franchement, il ne faut pas que nous aussi, on, est, on se dit musulmans parfois. Été voir l'association islamique qui leur avait demandé d'amener des dossiers pour. Fois, par exemple, quand je vois parfois. Euh, euh, dans des mouvements de revendication, les gens font comme on a des lectures de Saint-Coran. Parfois, vous savez, vous ne pouvez pas implorer Dieu comme ça dans le vide. Hein il ne faut pas souhaiter le malheur pour quelqu'un. Vous savez très bien que la réaction divine, aura toujours des conséquences. Donc, il ne faut pas jouer pour. Il se cacher derrière la religion pour faire. Lorsqu'ils ont, signé leur contrat, est-ce qu'ils ont été à l'association islamique <laughs> Non Gareth, tu voulais réagir <laughs> Oui, je voulais Je suis d'accord avec ce qu'ils disent. Hein. C'est-à-dire que, par principe, je pense que quand tu. Euh, d'abord, les maris. Mais les maris ont tort de divorcer leurs femmes ah parce ah qu'elles ont été affectées. Ah parce que tu as épousé une enseignante quand même. <laughs> Et tu as épousé quelqu'un. Oui, voilà. Bon, donc euh, vraiment, ça c'est un faux argument où tu vas, hmm. si tu, choisis entre euh, l'affectation et ton, et mariage. Non, c'est criminel et c'est malhonnête de la part des maris de faire ça. Vous comprenez Mais deuxième chose, effectivement, comme l'a dit Issa, mais est-ce que les femmes elles mettent les pièces de, d'état civil, de, l'attestation de mariage, comme la déclaration de mariage dans leur, documents dans leur document au niveau du ministère. C'est pas évident. Donc le ministère, quand il prend, par exemple, il y a des femmes qui se marient pendant qu'elles sont enseignantes, alors qu'elles ont un dossier. Alors, le mieux, c'est de prendre euh, cette pièce-là et de la mettre. C'est certainement que certains ne l'ont pas mis. Mais soit, euh, euh, moi, je suis d'accord hein, que, d'abord, on dit qu'il y a un surplus de 2000 enseignants à Niamey. Tout le monde veut être à Niamey, tout le monde veut être à euh, Maradiville, tout le monde veut être à Tawaville, tout le monde. C'est pas possible quand même. Mais dans les campagnes là, les gens ont besoin d'enseignants. Et quand tu choisis la carrière, il faut savoir qu'il y a des exigences. C'est vrai aussi. Mais moi, j'ai dit, maintenant, il faut essayer d'arranger les choses. Il faut essayer de faire autant que faire se peut, puisque l'année la, la, scolaire va s'achever dans trois mois. Hmm. Essayons, d'arranger comme ça pendant les vacances. on va essayer de voir. S'il y a un fonctionnaire qui a une femme enseignante qu'on va affecter à Maradi, on, on affecte la femme à Maradi. Cet enseignant-là qui travaille au niveau du ministère de l'Agriculture, eh bien qu'on l'affecte lui aussi au niveau de la direction régionale de l'Agriculture de Maradi. Là, le foyer est C'est comme ça qu'il faut Mais une voilà, voilà. Mais ce serait difficile quand même pour le commerçant qui a une boutique à Niamey <laughs> d'appliquer cette mesure-là. Mais euh, voilà. voilà. <laughs> voilà. Le, le, sujet un peu. Et, parfois, il faut, il faut motiver les enseignants à aller en bourse. Garel l'a dit tout à l'heure, il faut qu'à la fin du mois, quand on paye les autres fonctionnaires, qu'il ait lui aussi droit, mais jusqu'à 15 jours. Ils, ils, ont toujours des arriérés. Mais pire, ça, ne motive pas. Mais pire, il y a même quelque chose. Il, ça, non, en, en, deux secondes, je vais ajouter quelque chose en deux secondes. C'est qu'en fait, les enseignants même qu'on affecte, selon ce que nous avons entendu, ces enseignants-là, ils n'ont même pas les moyens de pouvoir se déplacer pour aller sur le lieu. On ne met, même pas à leur disposition les moyens pour Autre aspect à prendre oui, en compte, c'est extrêmement important. Voilà. Euh, rapidement, D'habitude, quand on affecte les gens, on, met à leur disposition euh, les, moyens de transport de l'État pour, pour, les, pour les transporter. Et comme, comme ils l'ont dit, il faut que les enseignants contractuels font la même chose. Moi, je me rappelle depuis quand on était au lycée, ça avait commencé avec les civicards, qu'on appelle les services civiques ils, ont le maximum d'heures d'enseignement, mais à la fin, c'est eux qui sont d'abord moins payés et ils ne sont pas payés à temps. Il faut qu'il y ait justice aussi. Bien. Et nous passons à un autre sujet. Euh, donc, je le disais en début, le ministre des Finances, Hassoumi Massoudou, a eu une rencontre ce mercredi dernier avec les partenaires techniques et financiers du Niger relativement à la loi des finances. À cette occasion, le ministre des Finances leur a expliqué les raisons des nouvelles mesures prises et les avantages y afférents. Le ministre Hassim Massoud, que je vous propose d'écouter. Ces mesures-là que nous avons mises dans la loi de finances 2018 sont appliquées depuis une vingtaine d'années dans les autres pays de l'UEMOA. Donc par conséquent, il s'agit que de mesures de rattrapage. Elles ne sont pas si nombreuses que ça. Mais le reste des mesures de la loi de finances c'est essentiellement des mesures administratives qui nous permettront d'augmenter le rendement fiscal pour augmenter les recettes en élargissant l'assiette, en accroissant l'efficacité des services des impôts et de la douane. C'est essentiellement ça. Je pense que nous ne pouvons pas continuer comme ça à renoncer à un minimum d'imposition par rapport à des revenus, à des richesses générées dans notre pays. Beaucoup de couches, par exemple au niveau du monde rural, il n'y a pratiquement pas de mesures fiscales nouvelles. Je voudrais le dire parce qu'on parle de pauvres qui sont impactés c'est pas vrai. Toutes ces mesures concernent les villes. Pratiquement aucune mesure ne concerne les campagnes, y compris même les mesures sur la TVA, etc. Le ministre des Finances a soumis Massaoudou devant les partenaires techniques et financiers du Niger. Euh, ces interventions du ministre n'ont pas été du tout bien accueillies par certains acteurs de la société civile. Euh, je m'en vais commencer avec vous, Issa Madougou de la radio et télévision Ténéré. Quel commentaire faites-vous de l'intervention du ministre des Finances vous savez, euh, moi, <laughs> quand j'ai écouté le ministre, je me suis dit que au Niger, surtout ce gouvernement a eu vraiment toujours un problème de communication. Quand il y a franchement une contestation, une partie de, la population qui conteste, il faut trouver les justes mots, mais pour ne pas les frustrer. Parce qu'il faut pas qu'ils aient ce sentiment d'appartenir à une même nation, mais non, pas d'être dans une posture où vous ne comptez pas nous, on pas, vous n'avez pas de légitimité. C'est comme tirer. Par exemple, à la loi de finances, le seul ministre qui a eu à expliquer une mesure qui est contestée, c'est le ministre des Télécommunications. Et le week-end dernier, au Renier, quand le Premier ministre avait rencontré les patrons des projets, il a expliqué la suppression du Tati. Et l'explication que le ministre a donnée, c'était ça, ça convainc. Parce qu'il dit pourquoi ils ont supprimé Tati. La Tati, une compagnie de téléphonie vous avez un cahier de charge, des investissements à mener. Vous savez, actuellement, sur les 266 communes, combien de communes sont connectées au réseau 100 et quelques. Depuis qu'ils payent la, taxe, la TATI, ils refusent de faire les investissements. Quand on les demande, non, nous ne pouvons pas supporter la TATI. Or que le Niger a souscrit à des conventions pour, à l'horizon 2022, d'être que toutes les communes soient connectées au réseau. Maintenant, le gouvernement a trouvé juste le milieu pour dire, OK, nous allons voir c'est la tactique qui pose problème, on va le supprimer. On va voir. voir votre cahier de charge. Avant 2019, que vous mettez tous les investissements, même des années antérieures là, que vous n'avez pas pu faire, il faut les faire. oui, c'est des explications comme ça que les gens se font, mais, pas une frustration. Monsieur Massoudou, il n'a pas, lui, il n'a pas essayé de, comment on appelle, d'améliorer. Il n'a jamais étudié de, la diplomatie dans ces trucs. C'est pour cela qu'il faut éviter. Il y a un paradoxe que j'ai constaté. Quand il dit que toutes ces mesures, il faut que le Niger soit indépendant, non. Mais la semaine dernière, le Niger a demandé 338 millions de dollars. C'est pour que le Niger ne commande pas. Et les 300 millions de, dollars là, c'est pour faire quoi non, mais c'est pas. Il y a des termes qu'il faut savoir utiliser. Quand on est face à une situation un peu compliquée, il faut jouer aux diplomates parce que le peuple, la souveraineté appartient au peuple. Les 92% là, lui, il est en train de faire fi de ces 92%. C'est comme si les Nigériens ne représentent rien. Donc, il y a une, ce n'est pas une situation. La contestation n'est pas politique. C'est parce que les gens, ils n'ont pas dit toutes les mesures. C'est certaines mesures qu'il faut revoir. C'est pour cela le dialogue est très important. Nous allons donner la parole ici à Garé Amadou. Garé, euh, le ministre des Finances face aux, partenaires et ses explications qu'il a données. Oui, d'abord, il dit que la contestation n'est pas politique. Je ne suis pas sûr, qu'on euh, concernant certains acteurs de la société civile. Euh, non, non, il y, a des agendas. ah, ah non, mais ah on connaît qui est qui quand même au Niger. J'espère que, je sais que <laughs> j'ai pas besoin de m'étaler ici sur ça, mais au moins les gens se connaissent ici dans ce pays-là. Heureusement d'ailleurs. Mais le ministre des Finances, c'est quelqu'un qui a, qui a, qui est connu pour avoir le franc-parler. Vous savez, Assou Moussoud, ce n'est pas quelqu'un qui va venir faire euh, des, des, des, pirouettes pour dire quelque chose. Il dit, quand il dit que ça c'est noir, il va dire que ça c'est noir. Ça veut dire que lui, il sait pas dire, ah oui, ça semble être nu noir. Non, non, non. C'est son caractère comme ça. Donc il dit les choses comme ça. Et, et, et même si ça frustre les gens, mais c'est son caractère comme ça. C'est quelqu'un, quel que soit le ministère que vous allez lui donner, il va adopter la même posture et il va gérer ce ministère-là en fonction de son tempérament et ça va marcher. Parce que c'est comme eh. ça. Ah non, même si on l'amène au sport, il va gérer, je vous assure. ah non, non, c'est connu ça. C'est un homme qui, qui, qui sait pas faire des, des, des, des, exacts. Mais moi, concernant, concernant euh, tout ce qu'il a dit, hmm. qu'est-ce qu'il a dit Parce qu'il y a beaucoup d'intoxication concernant cette loi de finances-là. On fait comme si, oui, la loi de finances, quand elle va commencer à entrer en vigueur, euh, les gens vont mourir, c'est la grande catastrophe, on ne pourra même pas vivre. Mais non, il y a beaucoup de contre-vérités qui sont dites par les acteurs de la société civile uniquement pour mobiliser. Et c'est pourquoi le ministre des Finances a réuni les partenaires techniques et financiers pour dire que le Niger est déjà en retard par rapport à beaucoup de mesures mm. dans le cadre des critères de convergence de l'UMOA. Le Niger est en retard. Il faut le rattraper. On ne peut pas se mettre en marge de la communauté. N'est-ce pas, sous-régional n'est pas possible. Il faut qu'à un certain moment qu'on s'arrête, qu'on se dise que bon, écoutez, il y a certains États qui sont en train de prendre des mesures, et par rapport à certaines mesures, ils sont à tel stade. nous sommes pratiquement derrière. Qu'est-ce qu'on fait On fait quelque chose, on ne fait rien. Et forcément, des mesures, la fiscalité n'a jamais été quelque chose euh, d'agréable. Hein. Les mesures fiscales ont toujours été douloureuses. Toujours. N'est-ce pas Mais à un certain moment, qu'est-ce qui se passe Le budget national, avant, il était à, à, 60% ou à 70% provenant de l'étranger. Mm. Mais qu'est-ce que les barres de fond ont dit Ce serait mieux, à chaque fois que vous tendez la main, d'essayer d'avoir plus de ressources dans votre propre sol, ça va vous permettre d'être plus indépendant plutôt que chaque fois de commander. Et c'est ça que l'effort que le gouvernement est en train de faire. Bien sûr, il y a, certaines mesures que des, acteurs de la société civile sont en train de contester, n'est-ce pas Mais moi, je pense que eh, eh, pour le ministre des Finances, il s'agit de dire le langage de la vérité sans faire de la langue de bois. Et c'est comme ça qu'il fait, et c'est comme ça qu'on l'a connu. Et je pense que c'est comme ça qu'il va continuer à le faire. Bien. Rufai Dandoua euh, Moi, je pense que lorsque la société est divisée, et on dirait a été dans ma tête quand hein, elle a commencé ses paroles. C'est la, la manière de parler qui, qui... c'est vrai que tout le monde connaît Asumi, quelqu'un de, direct. parler, tout comme Bazoum est sincère. C'est des gens qui, sont, qui ont toujours fonctionné comme ça. Mais lorsque lorsqu'une société est divisée pour une loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale dans un pays, je pense qu'il faut aussi ménager certaines susceptibilité. Et je vais vous donner un exemple. Hier, je voulais payer ma facture d'électricité. Quand j'ai amené, on me dit non, il faut payer aussi 4000 francs qui ne sont pas sur la facture. Il y a une erreur sur la facture Non, il paraît que c'est l'argent du compteur qui est 12 kg Vous voyez, je pense que ça c'est de l'amateurisme. On l'aurait inséré, sur la facture, hmm. tu ne t'en rendrais même pas compte. Hmm. Tu vas voir, tu vas aller payer, tu vas demander des explications. Mais que tu viens, si par exemple c'est 20 000 francs, tu viens avec 20 000 ou 21 000 francs pour eux. Vous voyez, non Ça veut dire que tu es obligé de retourner chercher les 4 000 francs. Donc, ça, c'est de la matière. C'est des choses qu'il faut expliquer déjà aux citoyens pour qu'ils puissent comprendre. Déjà, euh, non seulement le gouvernement n'a pas communiqué ça, mais la, la Nigélec aussi, n'a pas communiqué sur ça. Il faut que tu viennes au guichet pour qu'on te dise non. Si, si c'est 6 kilowatts, on dit tu dois payer 2100 euh, francs ou 600 francs. Si c'est 12 kilowatts, tu dois payer 4000 et quelques. Vous voyez, c'est ça le problème. Donc je pense que là, il y a euh, une sorte d'amateurisme dans même l'application de cette loi. Et aussi pour le ministre des Finances, je pense que lorsqu'il y a ce genre de contestation dans un pays, il faut savoir, puisque j'ai suivi une partie où il parlait de, de Katako. Katako, pratiquement, c'est un endroit qu'on ne touche pas au Niger. <laughs> Mais vous voyez, Gagari a sait quelque chose, tout le monde a sait quelque chose. C'est presque comme on dit, oui, il a dit un État dans un État. Mais Katako, c'est un endroit qu'on ne touche pas. Il faut faire extrêmement attention. Je crois que c'est un mot qui, qui lui a échappé comme ça. Mais les mots, quand ils partent, on ne peut pas les rattraper. C'est ça, malheureusement. Moi, je pense que c'est en termes de communication qu'on est en train de faillir, même dans cette. De, part et d'autre, hein. euh, c'est vrai, Garé disait euh, qu'il y a l'intoxication du côté c'est une tactique peut-être pour mobiliser les citoyens parce que 90 eh, à 98% ne connaissent pas ce que contient la loi exactement. Maintenant, on vous dit ce que vous voulez entendre pour que vous, puissiez vous mobiliser. De la même façon que, niveau, au, niveau du gouvernement aussi, on dit ce qu'on veut dire aux gens pour essayer de... D'où la marche du, 4 mars qui va avoir lieu pour, eh, dit-on, eh, soutenir les actions du gouvernement de la euh, Au sein du gouvernement, les gens ne sont pas au même niveau d'information. Euh, sur, la loi des finances. Mais c'est que le ministre, il a, moi, je, l'ai écouté un peu, mais je n'ai pas eu à euh, l'écouter ah, en intégralité. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas dit dedans Mais pourquoi il n'est pas revenu sur les charges de l'État Aujourd'hui, la situation qu'il veut expliquer, les autres pays qui sont en train de prendre des mesures pour diminuer le train de vie de l'État, mais eux là, mhm. ce sont des super humains ou bien quoi Non, soyons clairs. Qu'on va parler le langage franc comme le ministre. Quand on est dans un état, ne, soyons ne prenez pas les autres comme des dupes. Il y a des choses, quand vous les faites, ça va rassembler les Nigériens. Quoi, par exemple Par exemple, aujourd'hui, dès que on, essaie de réduire la taille du gouvernement, d'ailleurs, les secteurs miniers sur lesquels on base, il n'y a rien. L'uranium, zéro. Pétrole, il ne faut même pas en parler. Le, le Tchad a plus de ressources que nous. Mais le Tchad, qu'est-ce que Idriss Déby a fait Il a commencé par, au niveau de la présidence, à réduire le nombre de conseillers. Même les véhicules, le cortège, il l'a réduit. Il est parti à l'Assemblée. Le gouvernement. Il faut dire aussi que le Tchad n'est pas un exemple. Oui, non, Tchad, non, non, j'arrive. Non, non, c'est l'exemple que lui a choisi. Non, euh, par exemple, vous prenez même le Gabon. Aujourd'hui, le Sénat est en train d'être réduit parce que le président Bongo estime qu'il faut commencer ah, par le euh, qui a, du sud euh, du Sénégal, le, Sénat. Parce que pourquoi Il faut faire des actions qui peuvent. le Niger, par, exemple, moi, je suis frustré à chaque conseil de ministre quand j'entends les mesures nominatives. Le Niger ne doit plus être dans cette qui on n'a pas nommé. Maintenant, c'est l'heure du travail. Il faut travailler ceux qui sont déjà là il faut qu'ils fassent leur travail concrètement. Euh, Parce qu'on ne peut pas encore nommer ou bien créer des postes pendant que alourdir la charge de l'État, on ne sait rien. rapidement, on va passer au suivant sujet. Les, nominations, il y aura toujours des nominations parce qu'il y aura des, gens qu'on va changer, donc il faut les remplacer. Ce n'est pas, ça, ce n'est pas oui, ce n'est pas, ça, le problème. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est simple. Hein. Moi, je pense que eh, les conseillers, beaucoup de conseillers ne servent à rien au, autour du président. Aujourd'hui, moi, je suis conseiller du président. Je rentre, s'il m'écoute, je rentre, je lui dis, Monsieur le Président, écoutez, c'est de la com, c'est de la com dites que sur euh, votre euh, comment on appelle fonds politique. ou votre salaire ou ceci cela vous, diminuez telle somme ça ne va rien faire au président de la République mm. dites que demain au lieu de 43 ministres demain vous remaniez le gouvernement vous faites 33 ministres dites que les ministres au lieu de deux ou trois véhicules on supprime un ou deux je vous assure demain personne ne va dire un mot. C'est juste stratégique. je, pense que, je pense que euh, euh, des efforts doivent être faits au niveau du gouvernement, en tout cas des autorités, pour montrer le, la, bonne volonté à la population. Parce que, en réalité, et, c'est pas que la, population aimerait bien savoir, c'est-à-dire que bon, ils ont déjà été intoxiqués, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut donner des bons gages, des bons gages et faire des trucs, dire bon, réduire la, taille du gouvernement, ce serait bien, euh, réduire les fonds politiques, ce serait bien, réduire les conseillers, ce serait bien, ça permettra peut-être euh, d'apaiser l'attention. Mais en soi, je dis bien, ces mesures fiscales-là, il fallait un jour ou l'autre que l'on commence à les euh, prendre parce qu'on ne peut pas continuer à faire du laxisme dans le cadre de la collecte des impôts. Euh, enfin, nous terminerons avec euh, les réactions des organisations de défense des droits humains qui ont fait publier des déclarations, je le disais, sur la situation socio-économique et politique. Il s'agit de la CNDS, donc la Commission nationale des droits humains, et de l'Association nigérienne de défense des droits humains. Ces dernières ont dénoncé, entre autres, les mesures de la loi des finances, les crises dans le secteur de l'éducation, notamment les affectations, les relations entre le gouvernement gouvernement et les syndicats, la situation à l'université, les agissements de certaines personnes susceptibles de porter atteinte à l'unité nationale, entre autres. Quelle appréciation, euh, Roufaï, euh, vous portez sur euh, la sortie médiatique de ces organisations de type défense C'est les associations les plus hypocrites qui, existent au, Niger. Je ne vois pas à quoi elles servent. Pas. La CNDH, c'est ça, non Pourquoi dites-vous cela ça sert à quoi à chaque fois de venir faire des déclarations euh, Pour moi, c'est une question euh, budgétivore, c'est tout. Et, l'ANDDH, la on n'a pas dit que la CNDH est à la NDDH. Oui, vous aujourd'hui, est-ce qu'elle euh, existe Je ne sais même pas. À quoi elle, sert, elle ne sert pratiquement à rien. Surtout si NDH est une institution de l'État, elle est financée par l'État, tous les déplacements sont financés par l'État, le président est, dans l'ordre protocolaire des, institutions de l'État, ils sont grassement payés, grassement nourris, c'est comme. Vous voulez qu'ils se taisent, vous voulez plus qu'elle fasse. S'ils disent, qui prend en compte ce qu'ils disent c'est ça le problème. Si c'est pour venir faire des déclarations chaque fois. Qu'est-ce qu'elle doit faire, Roufaï Tu penses qu'elle doit faire autre, mieux que Moi, sincèrement, je ne sais pas à quoi elle servent. Sincèrement, je ne sais pas. Si ce n'est qu'à faire des déclarations, et c'est tout, des déclarations qui ne sont même pas euh, prises en compte par, par qui de droit, parce qu'on les adresse à qui aux autorités, à la fin, elles ne prennent pas en considération. Donc, à quoi elles servent Et ça, Mamadou, vous ne trouvez pas aussi euh, comment vous trouvez quand même euh, la ben réaction oui, Ils sont dans leur, dans leur mission de réagir, mais à quoi sert de réagir quand il n'y a pas d'action Parce que c'est ça. Bah, j'ai parcouru toutes les deux déclarations, j'ai vu vraiment les points qui sont évoqués, méritent vraiment, c'est ça la réalité. Par exemple, pour le CNDH, quand il parle que le, il faut nécessairement. Bon, non, le silence n'est pas bon parfois, il faut, mais il faut réagir. C'est-à-dire, euh, sur le point de, dialogue politique, et dialogue politique. Moi, je suis d'accord avec eux. Aujourd'hui, il faut la reprise du dialogue politique. Nous avons ce cadre CNDH. Si aujourd'hui la majorité et l'opposition refusent de se parler, je ne pense pas que nous pouvons. Oui. là, tout le monde sait ça. Oui, tout le monde sait ça. comme ils ont interpellé, ils ont recommandé. Moi, je pense que bon, c'est trop, toujours, Il faut, il faut rappeler, <laughs> même si on ne prend pas en compte. Mais quand même, le silence n'est pas souhaitable il faut faire euh, vraiment. Mais, est-ce que, est euh, par rapport à ces organisations de défense des droits est-ce qu'elles pourrait faire mieux des déclarations. Oui, d'abord, d'abord pour la pour, NDDH, je pense que c'est une c'est une structure déjà morte mhm. depuis que Khalid Ikiri a quitté la NDDH. La NDDH n'existe plus. Hein. Et d'ailleurs, le président actuel, il est en train de tirer un boulet derrière lui. Le fait d'avoir été eh, dans le cabinet de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Hamadou, ça a un peu terni son image. Ça fait que ces déclarations ont toujours des relents politiques qui sont difficilement en tout cas crédible. Bon, donc l'ANDH, ça n'existe plus pour moi. Le CNDH, oui, parce qu'il y a Khalil écrit et parce qu'il y a des cadres eh, compétents, il y a eh, l'État, Libye, etc. Ils font un travail. Ils font, vous savez, eh, oui, vous savez, le CNDH, c'est pas seulement les déclarations. Ils font des tournées à l'intérieur du pays, ils font des tournées au niveau des prisons, le respect des droits de l'homme. Et quand ils font une déclaration, contrairement à ce que vous pouvez penser, c'est pas des déclarations qui sont comme ça, considérées comme euh, juste des trucs euh, euh, médiatiques. Non, les autorités prennent en compte. Moi, je sais que le président de la République, quand il voit une déclaration du CNDH, il prend en compte. C'est pas que ces déclarations inutiles, non. C'est des, des, interpellations. En tout cas, ils appellent à, au dialogue entre la classe politique, par exemple. Mais le dialogue qui, qui, qui fait la politique de la chaise vide C'est l'opposition. Mais donc, alors, si, si normalement, ils font une déclaration pour que la République du dialogue politique, c'est comme s'ils interpellent l'opposition politique pour qu'elle reprenne sa place. L'opposition est en train de faire la chaise vide. Elle ne veut pas venir. Qu'est-ce que vous voulez que ça se passe et après, on les accuse de faire des déclarations qui ne sont pas respectées. Respectées par qui Quand elles font des déclarations, c'est pour que toutes les parties prenantes puissent les respecter. Vous comprenez Mais alors donc, si, par exemple une partie refuse, forcément le dialogue va rester lettre morte. Forcément l'appel va rester lettre morte. C'est bien d'aller, c'est bien ce que tu dis, ils, vont dans les, dans les prisons. Ça change quoi le fait d'aller dans les prisons ils font, l'état des situations, ils font de <laughs> l'amélioration. non, ça améliore, ça améliore. Les... Non, il y a des améliorations. Le ministère de la Justice. écoutez, ce sont des missions ce sont les missions menées par le CNDH avec certaines structures internationales qui font que le ministère de la Justice mhm. est dans une politique d'amélioration du, du, système carcéral, de la construction de nouvelles prisons. C'est important ça. Forum de la presse de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que nous étions en compagnie de Gary Amadou, euh, donc journaliste au quotidien La Nation, Rufai Dandoua, journaliste indépendant, Issa Morou Madougou à la radio et télévision Ténéré, présentation à la sainte Mamadou euh, Mahamadou, à la technique, à euh, Ousseini RDV demain samedi, dimanche dès 17h15 pour le forum sur le mariage des enfants. Ce sera en Hausa et en Zarma samedi dimanche.